assalamu alaikum, Sénégal Assalamu Yoff euh, Faye euh, directrice de campagne de la coalition demain Président di féliciter wa Yoff fi commencé suñu fief suñu commune di féliciter tous les militants de la coalition demain Président ci ont bu solo def parce que a 12 jours de campagne il na waye nañu bu mucc ayib féliciter toute la communauté yoffoise qui accueil beaucoup de réservé di Félix, c'est victoire bi victoire c'est une victoire la avons un changement Oui, victoire victoire du peuple sénégalais la victoire c'est la victoire de la jeunesse sénégalaise c'est la victoire de la nation sénégalaise oui pour un changement les sénégalais ont dit oui pour le changement les sénégalais bëgg nañu un pays souverain les sénégalais bëgg un pays prospère avec le président son excellence Bassirou Diomaye Faye euh, un nouveau vent va souffler au Sénégal. Une nouvelle ère souffle, l'ère du changement, le vent du changement. Donc, vive la révolution, parce que les on peut considérer ça comme une révolution. La population sénégalaise, changement. Il était temps que pendant ces 12, ces 12 années passées, souffrir nous, nous nañu nous nous mais tôt ou tard nous wax nous, nous, nous bis bi ñëpp doon xaar le 24 mars inshallah tay la yàlla dogal ni révolution am na la yàlla dogal ni Sénégal inshallah jot na son indépendance ba parce que veut un pays souverain te le président Bassirou Diomaye Faye dina liggéey ci loolu xam les attentes sont très nombreuses mais inshallah taala le président sera à la hauteur parce que sénégalais dinañ ko jàppale le président Ousmane Sonko dina ko jàppale tous les patriotes de ce pays dinañ ko jàppale inshallah taala ndam rek félicitations jaajëf.